li nga xamanteni ni moo ñu frappé ñun ñëpp et ça concerne le dépôt des rapports de 2015 2016 2017 monsieur le ministre ken comprendre ñëpp a jaxasoo fi ñu nekk ni et question bi ñëpp di gën a laajte mooy à quoi va à quoi va nous servir ce dépôt là monsieur le ministre ay rapport dañ fi jaar ñu ne tek nañ si kudd tay buñu xeyaté xëyaatee indil ñu ay rapport li ñuy di gën a liy njëkk suñu bop rek moy que ni dañuy laaj tew ban lan moy utilité wu rapport yoyu tay ji ni monsieur le ministre et sur cela j'aimerais revenir sur une question concernant nak siège parce que défé na ñun biñuy dem 2010 fa faut fa la construction bi taxaw ba sur la cour des comptes je crois qu'on l'a rappelé c'est quand même bien dommage justement qu'on vienne vient de le rappeler encore je crois peut-être qu'elle n'a pas eu à suivre la sortie du chef de l'État ce matin je rappelle simplement que la cour des comptes a été bloquée depuis 2000 depuis 1999 c'est à l'arrivée du président de la République en 2012 qu'une loi a été votée pour pouvoir donc donner des missions précises à la Cour des comptes et c'est depuis cette date que cette Cour-là est en train de faire son travail. Et je crois que sur cela, on devrait plutôt quand même magnifier cette action plutôt que de se mettre encore à se plaindre justement de ce qu'il y a eu à, ce a eu à faire à ce niveau-là. Euh, sur le siège, je rappelle simplement que là aussi, c'est vrai que ça a traîné. D'ailleurs, euh, le contrat a été euh, justement donc arrêté avec l'entrepreneur. Nous l'avons résilié et nous avons eu les instructions du chef de l'État que d'ici la fin de l'année, notez les bien, donc euh, la Cour devra avoir son siège, Inch'Allah. Donc nous y travaillerons et d'ici la fin de l'année, donc le siège devra être livré au profit donc, de la Cour des comptes.